Hey, de la te la bienvenue mon frère Merci bro Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, la famille, le Niger et toute l'équipe. Ouais, l'équipe se porte à merveille, mon frère. Parfait. depuis Luxembourg. Luxembourg, c'est situé exactement où, monsieur Limasta hein? Alors, le Luxembourg se trouve en Europe et on partage la frontière avec la France, l'Allemagne et la Belgique. Wow, super. Donc, à plus de 5000 km donc, de Niamey en principe. Super Alors, Limasta, dans un premier temps, nous allons parler un peu de toi, de l'artiste, pour permettre aux jeunes que nous kiffent à travers les 47 radios partenaires du studio Kalangu, aux autres jeunes aussi qui nous suivent, à travers le site du studio Kalangu, de cerner l'artiste en 5 minutes. Lee master qui se cache derrière l'I-Master Alright, bro. Alors, Lee master ou Ali master ah, c'est à l'état civil Ali Lawali Mohammed. Je suis né au Niger, je suis nigérian ou disons maintenant nigéro-luxembourgeois. Alors, je suis né dans la région de Difa, un samedi 19 décembre 1992. Ok, super. Nous allons aussi parler de la carrière musicale de l'artiste. A commencer par le début. La musique s'est révélée en toi. À quel moment, mon frère Bonne question, bro. Disons, comme on a tous l'habitude de le dire en tant qu'artiste, chanteur, qu'on a commencé la musique. Euh, de le bas âge ou depuis le ventre, mais disons, en tout cas, très jeune, j'ai commencé à faire de scènes, à participer à des animations, des compétitions comme les scènes ouvertes et autres. Mais c'est officiellement en novembre 2015 que je me suis officiellement lancé en tant qu'artiste indépendant dans la carrière dite artiste-chanteur. Ok. Et ça a commencé où exactement j'ai commencé dans la région de Difa et en 2015, euh, je suis arrivé à l'université. Là, nous avons enregistré un son qui s'appelait On est ensemble ou bien Monatare. C'était un financement de PDEV à l'époque. C'était un son qui a regroupé plusieurs artistes. Et de là, on a commencé par représenter l'université Abdou Moumouni à des compétitions. Et en mars 2016, j'ai lancé Zainabou Abou après, il y avait eu Fadima, il y avait eu Religion, Canadi, voilà, je vais t'aimer et... De tout ça dans un deuxième angle. Donc si je Parfait, bro. Ali plus que le taille contre nous, tout a commencé ici au Niger. Après, exactement. tu as quitté le Niger pour le Luxembourg. Le en question de la carrière de l'artiste, la saison 2. Parlons de ça sur cette émission, parce que ta vie a changé. <laughs> <laughs> Il paraît que j'ai changé. Dynamé à Luxembourg, parlons de ça, Mr. Ali Basta. Yeah, man. Alors, bro, Luxembourg, je suis venu m'installer définitivement en février 2018. Ok. Donc, le 25 février 2018. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on avait même eu une animation, c'était le 24 et moi j'ai quitté le 25. Tout à fait. La veille de ton Exactement, bro. Donc, je suis venu ici pour justement poursuivre la carrière et puis euh, m'éformer, me former, travailler et puis voilà. Donc, voilà, c'est là, je suis arrivé au Luxembourg. J'ai appris la langue luxembourgeoise, j'ai travaillé avec des jeunes et des enfants et en même temps, je poursuis ma formation d'éducateur gradué et en même temps la musique. Le combat continue donc, euh, n'est-ce pas, Livastar, du côté du Luxembourg. Nous sommes à la fin de la première partie parce que notre mission sur ce tangle c'est de permettre aux jeunes de savoir et de voir tout sur l'artiste. L'instant est solennel. Une minute de temps d'antenne, l'IMASTA, pour permettre à l'artiste de nous dire tout ce qu'il a au fond de lui. Au fond, au fond, fond de lui. On est allé, Ali. Nous t'écoutons. Le Niger coûte, le monde entier. Suis. Bro, c'est que je pourrais répondre, en tout cas, la musique, comme je viens de le souligner dans mon dernier single ou mon dernier clip, ma vie, c'est vraiment la musique, c'est ma vie et c'est toute ma vie. Si je pourrais dire un truc à l'endroit de la jeunesse nigérienne en particulier et celle d'Afrique ou du monde entier en général, c'est vraiment d'y croire à ce que la personne est en train de faire. La musique promet, la musique m'a tout donné, elle m'a amené là où je suis arrivé et je poursuis également mon chemin. Je suis toujours sur mon chemin, bro. La musique, elle paye. Elle nourrit son homme, comme on le dit ou comme les autres essaient de contredire. La musique au Niger, il y a de l'avenir. Et ce qui représente pour moi une fierté aujourd'hui, c'est que partout où je veux, que je chante en Hausa, en français, en anglais ou en luxembourgeois, quand les gens viennent vers moi, ils me disent c'est la musique douce. On me demande pas c'est quelle langue. On me demande pas qui je suis. On me dit c'est la musique douce. Douce, ça vient d'où Et c'est à haute voix, avec une certaine fierté que je réponds, ça vient du Niger. Et c'est un pays à part qui n'a rien à voir avec le Nigeria. On a des choses en commun. Merci Limosta pour cette euh, intervention franche. C'était Limosta depuis le Luxembourg. C'était les humains pour le premier angle de l'autre côté et la machine ici.